daan na Garga Mbossé amul benn werante daf ko duma daan ko laa ilaaha illallaah ko duma daan ko bul def ko duma daan ko Boy Niang def leen maa ngi sant ñaari waajur Mbour sama papa sama yaay dama liggéey sama biir kër papa. calme moo tax dara jomb incha allah. lamb ji lamb ji. waaw nee na dara jomb ko. attendiez, il est enfin là, le magazine Nissa. Nissa, un magazine pour nous les femmes, 100% islamique, 100% sénégalais. Dans ce premier numéro, retrouvez une enquête sur le phénomène du hijab fashion, cette nouvelle tendance dans le monde dévoilé. Le port du voile, accessoire de mode ou acte religieux. Des conseils sur l'habillement tout en respectant les préceptes de la religion, tout y est avec des références coraniques et de la sunna authentique. Qui était réellement Khadija, épouse de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam Quelle est son histoire Nissa vous la raconte sans rien omettre. Découvrez l'interview exclusive de la célèbre animatrice et prêcheuse Sorna Zeynafal. Vous aimez le miel Apprenez-en plus sur ses vertus insoupçonnées dans la plus gourmande des rubriques Miam. Envie de vous faire belle Retrouvez nos conseils pour avoir de sublimes sourcils sans aucune épilation. Avec Nissa, nous n'avons décidément plus d'excuses pour apprendre notre religion. Il ne coûte que 2000 francs seulement et vous pouvez vous faire livrer gratuitement à domicile ou au bureau en appelant le 78 374 12 12 78 374 12 12. Remember that. Un spectacle d'exception avec un artiste de marque, Popos de Ghostwriter. La loge des poètes à Sorano ce mercredi 23 mars avec Popos de Ghostwriter à partir de 20h. Yolen assisté à une mise en scène et un show inédit. Oui, la loge des poètes s'installe à Sorano ce mercredi 23 mars à partir de 20h pour un événement HIP, HOP, événement 3 en 1. Faites fête son anniversaire, l'anniversaire de Hatim Akalama et la sortie de l'X-Tape Volume Number 2, le tout le même jour. Wow, Popos mo aye ci ben événement HUP HOP Sorano Le ce 23 mars à partir de 20h. Prévente 5000 francs, jour J 10 000 francs, Self VIP 15 000 francs. Line B 70 108 18 18 Voilà 76 108 18 18. Un événement Perseverance. Le goji séché, le fruit du bonheur, le plus puissant produit naturel d'antivieillissement et d'antioxydants, enfin disponible. Le goji séché, distributeur exclusif, Excave Business Trading, Rue 14 prolongée, HLM 1 Sodida. Le goji séché, le fortifiant naturel qu'il vous faut. Vous êtes promoteur, producteur ou organisateur d'événements. Vendre vos billets est un casse-tête. Bienvenue chez Ticketpal, une solution sécurisée et simplifiée de la billetterie, mondialement connue, maintenant disponible au Sénégal. La billetterie Ticketpal Sénégal est un papier magnétique sur impression thermique muni d'un hologramme et d'un code barre unique pour chaque billet. Avec Ticketpal Sénégal, la fraude et la piraterie sont maintenant vaincus. Avec un personnel qualifié pour sécuriser davantage vos événements, le contrôle d'accès est systématique durant chaque manifestation. Contactez-nous au 70 108 18 18 www.ticketpalsénégal.com Ticketpal Sénégal, vivez mieux l'événement. qui ci référendum bi ñu génn tontu li àllarba gi bu juróom ñent waxtu de ci ngoon ci seen émission question de l'heure Mansour Sow di dalal Cheikh Bakhoum jiite ADIE doon it responsable politique APR fële ca Grand Yoff Daouda Ndiaye doon meeru Yëmbal Nord bokk it ci coordination départementale APR bu Pikine dina teewe waxtaan wi Ousmane Sonko jiite Pastef naka noonee dina ci bokku dina la Omar Faye bu leral askan wi àllarba gi lay doon bu ñent waxtu ci en direct ci une télévision DTV. Monsieur, merci de nous rejoindre sur la télévision DTV pour les prolongements du référendum 2016. Euh, euh, c'est un scrutin référendaire marqué euh, par un faible taux de participation, le taux le plus faible de l'histoire des référendums du Sénégal, pourrait-on dire. Le peuple bénit le projet de réforme constitutionnelle porté par un Macky Sall euh, qui s'est mué pour l'occasion en un véritable chef de guerre normal. Il jouait sa légitimité le front du nom Nyanibanina Banina et l'opposition désavouée euh, malgré les nombreuses alertes émises euh, sur la déstructuration euh, du système des valeurs sociales euh, Touba refuse toujours de s'offrir au maquis malgré les nombreux, les nombreux efforts consentis euh, par le chef suprême de la nation. Khalifa Sall et Tahaou Dakar euh, perdent le contrôle de la capitale sénégalaise. Babacar Justin Ndiaye, que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau pour débriefer avec lui les enjeux, les résultats de ce référendum 2016. Babacar Ndiaye, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir madame, merci beaucoup pour l'invitation. Babacar Jussien c'est un référendum qui a vécu, mais qui aura compromis euh, de nombreux destins politiques. Est-ce que c'est une lecture que vous accréditez Bien, ma lecture est un peu plus ample que ça. Vous savez, on peut faire une réflexion de surface comme on peut faire une analyse de fond. Alors, euh, naturellement, euh, un référendum est un temps fort de la vie démocratique et politique d'un pays. Ça, c'est une évidence. La seconde évidence, c'est que euh, le référendum, comme les autres scrutins, représente des baromètres de vitalité démocratique. Deuxième évidence, lecture de surface. Maintenant, si on va jusque dans les entrailles de l'événement, qu'est-ce qu'on constate on constate qu'un référendum, c'est aussi une photographie d'une certaine réalité assez instructive. C'est la raison pour laquelle le président de la République doit déchiffrer le message, décoder le message, euh, comprendre le clair-obscur du message, comprendre les non-dits du message, comprendre ce qui a été signifié et indiqué et signalé en filigrane dans ce message. Maintenant, quelle lecture fera-t-il Naturellement, le futur immédiat nous le dira. Mais moi, ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que on est dans une situation euh, d'équilibre au pluriel. C'est-à-dire que le non, le oui s'équilibrent et les deux sont flanqués par l'abstention. Deux forces qui se neutralisent Non, pas du tout. Le non, le oui est en tête. indiscutablement, c'est la victoire du oui, mais victoire n'est pas synonyme de triomphe, encore moins de plébiscite. D'où la lecture que le président doit faire, une lecture pointue. Alors donc je répète et je me répète, le oui et le non s'équilibrent. Les deux sont escortés ou flanqués de l'abstention. Donc on a le condensé de l'abstention, du oui et du non ce qui appelle une lecture particulièrement sage et éminemment politique de la part du chef de l'État. Des résultats provisoires, Babacar Senyei, qui font état euh, d'un taux de participation compris entre 35 et 45 un score du 8 euh, qui tourne aux environs de 56 euh, Macky Sall aura-t-il moins fait que Léopold Sédar Senghor et Abdoulaye Wade Vous savez, depuis Echamble, on sait que comparaison n'est pas raison. Mais la comparaison peut avoir une valeur heuristique, c'est-à-dire pédagogique. Le référendum de 58, prenons celui de 58 avec le général de Gaulle. Il y avait bien entendu un taux de participation particulièrement élevé et pour cause. Lorsque vous demandez à décoloniser de marcher vers la décolonisation dans un processus référendaire, dites-vous bien qu'il y a l'embouteillage qui n'aspire pas à la liberté. Donc ce référendum, on le met de côté. Nous prenons le, référendum de 63. Alors là, il faut faire la différence entre la physionomie d'un référendum et le contexte d'un référendum. naturellement, du point de vue de la physionomie, tous les, tous les référendums, ou bien pour parler comme les puristes et les latinistes, tous les référendats se ressemblent comme des gouttes d'eau, du point de vue de la physionomie. Bien entendu, du point de vue des enjeux et de la finalité, il y a, bien entendu, une certaine béance, donc un grand fossé. Alors, euh, pour me résumer, en 63, le contexte c'était quoi L'apogée du parti unique en Afrique l'hégémonie de l'UPS, devenue plus tard PS. On sortait également des événements de 1962 et Senghor avait besoin de mettre la main sur tout l'appareil euh, euh, politico-social. Ça, c'est l'enjeu. Mais du point de vue du conjoncture, 1963, c'est trois ans après l'indépendance. Le niveau d'instruction générale n'était pas si élevé que maintenant. La démocratie était dans les limbes, pour ne pas dire inexistante. Alors, le parti unique en Afrique était à son apogée il y avait l'hégémonie politique de l'UPS. Alors, dans un contexte comme celui-là, il est facile, il est aisé de se retrouver avec 90% des voix. Alors, le référendum qui pourrait être le bon référentiel par rapport à celui-là, en termes de comparaison, c'est celui de 2001 avec Abdoulaye Wade. Mais même à ce niveau, il faut aussi faire la lecture comparée des conjonctures et des contextes. Vous savez, le président Wade, il arrivait au pouvoir en 2001 émergent d'un combat, pardon, combat héroïque de 26 ans. Donc c'était l'icône, c'était le messie, c'était le héros. Il était dans, ces boubous-là, dans ces habits-là. Et habileté pour habileté, il est arrivé au pouvoir en mars 2000, il a mis en chantier le référendum en décembre, ça c'est la mise en chantier. Et, et le scrutin a eu lieu en janvier 2001. Ce qui veut dire que Abdoulaye Wade bénéficiait encore de l'état de grâce d'un opposant qui venait d'arriver au pouvoir. C'est-à-dire celui qui venait de terrasser le dragon socialiste. Alors celui-là, mon Dieu, il était enveloppé de tous les prestiges du monde, l'état de grâce était là, on lui pardonnait tout. À l'époque, si Abdoulaye Wade nous demandait de déplacer des montagnes, on le ferait. Et c'était surtout un homme qui donnait l'impression d'écouter enfin un peuple euh, que Abdou avait dénié le droit de se choisir ses institutions. Bon, je me garderai d'une lecture assez, assez compliquée comme celle-là. Mais ce qui est plus limpide, ce qui est plus clair, c'est qu'il a fait montre d'une habileté, certes, parce qu'il a mis en chantier très tôt le référendum. Deuxièmement, il était encore dans l'état de grâce le plus absolu, parce que 2001, il arrive au pouvoir en mars 2000, il organise le référendum en 2001, l'état de grâce était là, Abdoulaye était porté au pinacle. Alors c'est la raison pour laquelle il a eu ce taux de participation impressionnant. A contrario, Macky Sall, après quatre ans de tergiversation autour d'une promesse, après avoir exercé son mandat à moitié, en prenant des décisions qui fâchent par là, qui, contentent par là-bas, la CRI est passée par là, entre-temps, l'état de grâce a été inhumé, complètement enterré. Mais avant d'en venir, avant d'en venir au contexte de, euh, de, 2016, on va s'arrêter un peu sur, 2000, 2001. Euh, Vous disiez que Abdoulaye était encore porté par l'état de grâce. Il était sur le, une nuance politique. Le texte était-il bon Le texte soumis à l'appréciation euh, du peuple était-il bon Était-il contestable parce que seul le PIT a eu à se démarquer euh, de ce référendum-là. Sinon, tous les... Le PIT a euh, fait montre euh, d'une réserve par rapport à ce référendum, si vous voulez, d'une démarcation. Bon, euh, aussi, il faut, il faut aussi convoquer la vérité historique. Talasila aussi avait exprimé des réserves autour de ce référendum. Mais en gros, alors le référendum de Wad, ou plus exactement son projet de constitution nouvelle, a été plébiscité. Le texte était-il bon Je demande l'appréciation de l'analyste politique que vous êtes. Je me garderai de porter un jugement de valeur après la sanction populaire. Le peuple est souverain. Le texte d'Ablaï a été plébiscité. Alors à partir de ce moment, moi, mon jugement de valeur devient à la fois euh, tardif, inopérant et à la limite euh, inopportun. Après tout, c'est le peuple qui est souverain. Et le peuple l'a approuvé massivement. Alors donc, euh, inutile de faire un jugement euh, euh, d'arrière-garde. Mais ça, c'est derrière nous. Je me garderai de tout jugement d'arrière-garde. Ça n'a plus de sens. Puisque le peuple souverain a, tranché de façon triomphale par un plébiscite, alors nous pouvons dire qu'il est bon. Parce que le peuple, lui, il est la source du droit. Le peuple, il est la source de toutes les légalités et de toutes les légitimités. La source, le, peuple peut couvrir même, allez-y allez allez savoir, l'imposture. Alors à partir de ce moment, ne me demandez pas de faire un jugement opposé à celui du peuple qui a été déjà fait et à quelle hauteur plus de 90% des voix. Alors, euh, venons-en, avant de tirer les leçons euh, politiques de ce référendum, au déroulement du scrutin. Est-ce que vous allez embrayer la sempiternelle éternelle euh, chanson de la maturité démocratique du peuple sénégalais, du Sénégal comme vitrine démocratique en Afrique de l'Ouest euh, permettez-moi d'abord de terminer sur euh, euh, le chapitre des comparaisons, mais très rapidement. Comparaison des contextes et des conjonctures. Je vous disais tout à l'heure que le président Macky Sall, il a mis en chantier un référendum quatre ans après son installation à la tête du pays. Alors, entre-temps, l'état de grâce a été plus ou moins érodé. Entre-temps, une certaine impopularité a été au rendez-vous, un peu par la force des choses, parce que lorsque vous gouvernez, vous donnez satisfaction aux uns et vous donnez insatisfaction aux autres. Alors c'est la raison pour laquelle il est ce qu'il est en termes de taux de participation. Toutefois, toutefois, toutefois, toutefois, et ça il faut le préciser, le taux de participation laisse songeur. Quelque part, il est alarmant. Quelque part, il est inquiétant. Ça, il faut dire les choses comme elles sont. Parce qu'un taux de participation, c'est aussi un baromètre, parmi d'autres baromètres. Et de ce point de vue, effectivement, il y a des sources d'inquiétude pour ce qui est euh, du futur immédiat de notre démocratie. Parce qu'il y a quelque chose comme une indifférence des populations par rapport à l'offre politique. Et vous savez bien que euh, l'abstention est une triple posture. Parce que l'abstention, c'est à la fois non, le mépris et l'indifférence. Donc l'abstention, c'est une triple euh, posture et négative. Et c'est un message qu'il faut absolument décoder Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Parce que le camp de l'abstention, euh, c'est un camp sénégalais, comme le camp du oui comme le camp du non. Alors donc, il faut le prendre en charge du point de vue de la réflexion, il faut le prendre en charge du point de vue de la perspective. Alors, euh, venons-en au déroulement euh, du scrutin euh, dimanche. Je vous en parlais tout à l'heure. Est-ce que vous allez encore embrayer la éternelle chanson sur la maturité du peuple, du peuple sénégalais Vous savez, ce qui a été en cause ici, c'est moins la maturité que quelque part l'organisation du référendum. Vous savez, euh, la démocratie, encore une fois, c'est plus un problème de tête que de texte. Il faut que les acteurs soient sincères. L'apparat juridique ne règle rien. Le décor électoral, c'est-à-dire les scrutins à répétition, ne règle rien. Il faut que les acteurs soient sincères. Tenez, ce qui s'est passé au Bénin. Zinzou, dès qu'il a compris que les carottes étaient cuites, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, il a décroché son téléphone, il a appelé M. Talon quelque part Zinsou, il est un un blanc. Savez-vous que c'est lui qui rédigeait les discours de Laurent Fabius au Quai d'Orsay C'est lui qui rédigeait les discours de Laurent Fabius au Quai d'Orsay. Et pourtant, Laurent Fabius lui-même est sorti de l'ENA. C'est donc dire que Zinsou n'est pas n'importe qui. Alors, il a eu le réflexe de ce Français de métropole, passez-moi l'expression, comme on disait au temps colonial. Il a dit, Monsieur Talon, vous avez gagné. Alors, ça, c'est pour convoquer la sincérité en matière de jeu démocratique. Alors, qu'est-ce que je constate je constate euh, une défaillance impardonnable, inexplicable et injustifiable. C'est-à-dire la qui à qui euh, au ministère de l'Intérieur et par conséquent à la machine du ministère de l'Intérieur et par conséquent à l'État. Vous savez, euh, des cartes n'ont pas été imprimées. On nous a donné des explications techniquement douteuses et politiquement contestables, ou bien techniquement contestables et politiquement douteuses. Le ministère de l'Intérieur, c'est une machine à organiser des élections. Le ministère de l'Intérieur, c'est une machine à faire des projections. Le ministère de l'Intérieur ne peut pas dire qu'elle a été surpris par une échéance électorale ou une échéance référendaire. Ce n'est pas possible. Parce que c'est le ministère qui doit faire des projections. Il y aurait de la préméditation ou est-ce que cela est dû au, fait qu'on s'est un peu trop précipité pour organiser ce référendum-là Le délai est court, mais encore une fois, le ministère de l'Intérieur est normalement une machine à organiser des élections. Surtout que dans ce pays, on en organise depuis très très très longtemps. Donc l'outil doit être disponible, bien lubrifié, bien huilé et bien disponible. Voilà comment doit être l'outil. Alors aujourd'hui, on nous sert l'explication selon laquelle les machines de la DAF étaient en panne, etc. Mais vous vous rendez compte À quoi sert une projection lorsqu'on est à la tête d'un ministère de cette importance-là Donc ça pose le problème également de la rigueur et du sérieux dans l'organisation et par conséquent du sérieux démocratique. Alors ça, vous privez des Sénégalais de leur droits élémentaire, absolu et civique, Vous le vote. mais vous vous rendez compte, ça, ne serait-ce que pour ça, il y a une tache noire sur le tableau euh, de ce, de ce référendum-là. Et j'ajouterai que le ministre de l'Intérieur ne peut pas être surpris, puisque s'il y a quelqu'un qui colle au président de la République, du point de vue de la collaboration, du point de vue de la confidence, du point de vue des échanges et du partage, même s'il n'a pas son bureau au palais, le ministre de l'Intérieur c'est l'homme le plus informé du Sénégal. Ce qui veut dire qu'il échange régulièrement avec le président. Donc c'est une défaillance inacceptable. donc on ne peut pas, le, ministre de l'Intérieur ne peut pas dire qu'il a été bousculé, surpris, euh, pris au dépourvu par l'échéance. Non, non, non, non, non, non. Équipe du comportement euh, des électeurs euh, des Sénégalais. Vous savez, le peuple est souverain. Les Sénégalais peuvent voter dans le sens qui leur convient le Sénégalais ou les Sénégalais et les Sénégalaises peuvent Non, je ne parle pas de la nature du vote, mais euh, de la démarche, de l'attitude des Sénégalais le jour J. Les Sénégalais dans leur ensemble. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait De l'attitude du peuple le jour J, euh, malgré les appels à la mobilisation, les appels à la résistance, les appels à la contestation émis euh, par de nombreuses chapelles politiques. vous parlez du référendum en amont ou bien en cours ou bien en aval en cours, en amont, en aval. Je parle du comportement du peuple sénégalais dimanche. Ah bon Son comportement était dans l'ensemble, global, disons globalement correct. Bon, je vous ai dit tout à l'heure aussi que l'abstention était aussi une posture. Le peuple est libre de s'abstenir. Quand il ne comprend pas, ou quand il n'est pas motivé par ce qu'on lui présente, quand l'offre ne lui paraît pas belle, motivante, intéressante ou convenante, et convenable, alors le peuple peut dire, écoutez, cette histoire-là euh, ne m'engage pas. C'est pourquoi je dis que l'abstention doit être décryptée autant que le oui, autant que le non. Parce que l'abstention est une triple posture. Non, mépris et indifférence. L'abstention, c'est un peu tout ça à la fois. Alors, et comme vous l'avez remarqué avec moi, le camp de l'abstention n'a pas été un petit camp. Même si le oui a triomphé. Euh, euh, disons, le oui a gagné, parce que le triomphe, c'est autre chose. C'est un manque d'adhésion aux idéaux de la classe politique sénégalaise Bon, on peut faire une lecture aussi abrupte et aussi brutale, mais on peut même aller euh, euh, voir les choses autrement. Euh, vous savez, Françoise Giroud, qui était ministre de Giscard d'Estaing et qui était une grande journaliste de l'Express dans les années 50-60, elle était la co-directrice de l'Express avec Jean-Jacques Servan-Schreiber. Elle a dit quelque chose de très important en matière de référendum et elle parle en connaissance de cause parce qu'elle a été journaliste et ministre. Alors, je la cite. Dans un référendum, les gens ne répondent pas à la question qu'on leur pose. Ils donnent ou refusent leur adhésion à celui qui les pose, ou bien qui la pose, qui pose la question. Voilà le problème. Un référendum forcément engage l'initiateur. Certes, le, président n'était pas candidat à sa propre succession. Certes, euh, le fauteuil du président en termes de mandat n'était pas en équation ou en jeu. C'était clair dès le départ avec euh, le fameux verdict entre guillemets du Conseil constitutionnel, disons l'avis du Conseil constitutionnel. Toutefois, toutefois, toutefois, un référendum est une partie de poker. Parce que lorsque vous, vous, initiez un référendum, vous demandez une sorte de blanc cest c'est-à-dire un chèque en blanc. On vous l'accorde ou on vous le refuse. Donc c'est une partie de poker. Et quelque part, si nous voulons... Donc c'est une partie de poker. Et quelque part, plus politique, et plus éminente d'ailleurs, c'est-à-dire plus élevée encore, euh, des résultats, nous devons être un peu, euh, j'allais dire, euh, plus attachés à notre pays, plus patriotes. Je vais vous dire pourquoi. Dans ce oui-là, il y a le oui d'adhésion au projet de réforme, mais il y a aussi le oui de sauvegarde nationale. Parce qu'imaginez, madame, si le non l'avait emporté, si le non l'avait emporté. Ce serait un non aux conséquences politiques lourdes et désastreuses pour le pays. de la République, du point de vue de notre constitution, c'est la clé de voûte des institutions. Si maintenant son autorité est par terre, si sa posture n'est plus solide mais flasque, mais vous imaginez ce que cela représente comme conséquence Et Serine Diop a eu à développer cette théorie. Donc, quelque part, nous devons disséquer ce oui en disant que il y a d'un côté le oui d'adhésion, au projet de réforme du président de la République, mais aussi à le oui de sauvegarde nationale. C'est un vote utile, ce n'est pas un vote d'adhésion à un projet porté par le président de la République J'ai employé un mot très fort, sauvegarde nationale, salut national. Cela veut dire qu'il fallait sauver la patrie quelque part. Ça, ça dépasse Macky Sall. Même si c'est Macky Sall qui est à l'origine de l'initiative, il se trouve qu'à un moment donné, les enjeux dépassent sa personne. Parce que la stabilité du Sénégal, ça dépasse le président Macky Sall, qui ne fera pas plus de deux mandats désormais. Les présidents au Sénégal font ou feront deux mandats. Alors donc, vous voyez que, euh, à l'horloge de l'histoire, c'est-à-dire dans la durée historique, à l'horloge de l'histoire, mais deux mandats de sept ans ou deux mandats de cinq ans, ça ne fait même pas une seconde, à l'horloge de l'histoire. Donc, quelque part, il fallait sauver le pays à travers le oui. In fine, le peuple sénégalais est béni, le projet de réforme euh, constitutionnelle à lui soumis par euh, le président de la République Macky Sall, même si on peut se garder de parler de, parler de, de, plébiscite. Mhm. Euh, il n'y a pas de quoi triompher, il n'y a pas de quoi pavoiser. quelque part, les Sénégalais ont-ils tenu à sanctionner Macky Sall euh, pour le non-respect de son, de, de son engagement vous savez, il n'est pas facile de lire euh, jusque dans les tréfonds. Alors, euh, l'expression populaire illustrée par les résultats. Il n'est pas très facile. Parce que dans une réponse, on a un cocktail d'éléments. Peut-être il y a ce que vous dites. Peut-être aussi, quelque part, il y a des mécontentements en rapport avec autre chose. Tenez, un exemple concret, Sédou a voté non, Touba a voté non. En dépit des gratifications. L'explication ne serait pas la même, hein non, je Entre Touba et Sédou. Non, non, si. Permettez-moi d'établir un parallèle pour ne pas dire une bretelle, même mettre un pont. Et vous allez voir ce que je veux dire par là. Touba, en dépit de toutes les gratifications, de toutes les générosités du régime, reste une citadelle inexpugnable. Jusque-là, en termes de sympathie vis à -vis du président de la République, on est pratiquement au plancher. Ça ne monte pas. Pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir. Alors, si dit non, moi j'établis une corrélation. Parce que les habitants de Sédou, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là À la place de Ilatouba, il fallait nous faire Ila Transgambia, au moment où Yahya nous montre des humeurs inquiétantes. À la place de Ilatouba, ne fallait-il pas faire Ila Transgambia on n'a pas fait il a Transgambia, c'est est en colère. Et il a Touba aussi n'a pas été électoralement encore moins euh, politiquement productif. Finalement, il a Touba ne sert pas à Macky Sall. En tout cas, si, si, parce que du point de vue économique, c'est une autoroute insensée. Du point de vue politique, ça ne s'est pas révélé productif. Alors je crois qu'on tirera les leçons. Est-ce qu'à Touba, le malaise n'est pas plutôt politique Bon, euh, là aussi, il faut une lecture plurielle. Je crois qu'en politique, il y a des erreurs. Parce qu'en termes d'investissement, en termes euh, de désenclavement, de développement, euh, beaucoup d'investissements ont été faits dans cette, dans cette localité. Est-ce que ce n'est pas plutôt politique, cette divergence profonde entre Moustapha Cicelo, aujourd'hui qui fait, fait l'objet d'un rejet total euh, de la place de la classe maraboutique. Les jeunes chefs religieux, euh, les, les nombreux points de discorde entre euh, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel Même en termes de caresses, tout a été servi. Et pourtant, encore une fois, c'est une citadelle de l'indépendance. Qui refuse de s'offrir. Voilà. Alors, mais l'explication, bien entendu, renvoie à quelque chose qui dépasse euh, Moustapha Sisselo. Vous savez, euh, Léon Blum disait en politique, les erreurs se payent, les vertus ne sont pas récompensées, mais les erreurs se payent. Et effectivement, c'est le cas. Vous savez, il faut, il faut être cohérent, conséquent, ce qui suppose un courage considérable. à l'aube du septennat présidentiel, donc de Macky Sall, il y a eu des petites phrases du genre « les marabouts sont des citoyens ordinaires ». Euh, c'est ce qu'on lui ferait payer jusqu'à présent Non, laissez-moi terminer. Je, ne peux pas être aussi catégorique. Je suis en train d'aligner des considérations qui sont significatives à bien des égards, sans pour autant faire une lecture brutale. Alors donc, il y a eu euh, cette petite phrase. Alors vous savez, ces petites phrases-là font des dégâts souvent difficiles à réparer. Deuxièmement, euh, donc les marabouts sont des citoyens ordinaires. Alors, les passeports diplomatiques pour ou pour confisqués. Alors, euh, et puis aussi, euh, vous vous souvenez du contexte euh, du début du, du, septennat, lorsque les voitures qui ont été distribuées par, distribuées Abdoulaye Wade au chef de canton ont été récupérées, parfois de façon brutale par la gendarmerie. Donc, vous voyez, ce sont des éléments comme ça qui se sont un peu amoncelés et qui ont certainement... tout Touba la Sainte regretterait-elle la générosité de Abdoulaye Wade C'est-à-dire, peut-être que vous ne voulez pas en arriver au mot non, non, moi, vous savez, la générosité, elle est subjective. Et je suis républicain jusqu'au bout des ongles. Il n'est pas question pour moi de prendre les deniers publics, d'en donner à X et de ne pas en donner à Y, alors que nous sommes tous des contribuables. Bon. Alors donc, ce n'est pas moi qui vais théoriser la distribution euh, inconsidérée des deniers publics. Non, non, non, je ne théoriserai jamais ça. Mais je suis en train de faire un constat, c'est-à-dire en dépit des caresses, en dépit des gentillesses, en dépit de toute la gamme, de toute la panoplie des générosités, euh, Touba reste toujours Touba. La République euh, tente quand même euh, de, garder le, de garder le cap, de garder le pas par rapport Et l'élément le plus illustratif, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il a Touba au détriment de Il a Transgambia. Et ça n'a pas donné les résultats escomptés. Est-ce parce que la République ne s'agenouille pas trop devant Touba Non il ne faut pas euh, singulariser Touba. Les hommes politiques, tous, sans exception, rampent comme des reptiles devant les marabouts. Je ne dis pas devant bas devant les marabouts au pluriel. Ils rampent comme des reptiles devant les marabouts. vous, me, direz que la relation entre... Euh, Macky Sall a fait montre de résistance quelquefois. Ah bon En tout cas, pour cette campagne électorale, euh, plutôt référendaire, qui n'était pas une campagne qui n'était pas une campagne électorale précisément, son fauteuil n'était pas en cours. Et moi, j'ai fait un laser dans lequel j'ai dit que le président de la République aurait pu ne pas faire la campagne à la manière d'un député de province. Parce que le président de la République n'est pas un député de province. Pas du tout. Il est le président de tous les Sénégalais. Il va sans dire que ce référendum-là, c'est lui qui l'a initié. Mais il jouait son destin politique. Quelque part. Euh, pouvait-il se garder de battre campagne, de remobiliser Oui, oui mais, encore une fois, pas à la manière... ce résultat, il aurait été mauvais. Il aurait été son résultat. Les conséquences auraient été désastreuses. Je viens de vous dire que les Sénégalais ont, fait ont, répondu euh, de manière significative par le oui. Oui à l'adhésion au, projet du président de la République, oui à la sauvegarde nationale. Donc c'est une façon de vous dire que quelque part, moi-même, je sublime le oui. Je ne suis pas fâché, pas du tout, quelque part, parce que le oui, quelque part, a sauvé le pays, dans une très bonne mesure. Mais je reviens maintenant à la posture référendaire du président de la République. Certes, c'est lui qui l'a initié. Certes, comme vous dites, il jouait quelque part son destin, parce que c'était une partie de poker particulièrement serrée. Mais, après tout, il n'est pas un député de province, il est le président de tous les Sénégalais. Pour moi, un général peut aller sur le front. Mais un général ne patrouille pas. Il aurait pu aller de temps en temps faire des apparitions sur le front, mais sans patrouiller. Les patrouilles, les crapahutages sont l'apanage des lieutenants et des capitaines. Un général ne patrouille pas. Il va sur le front, il fait des apparitions et il rentre à l'état-major. Donc il aurait pu faire des descentes ciblées sur le terrain et des descentes ponctuelles. Mais cette façon de ratisser tous les mètres carrés de toutes les régions, pratiquement, à quelques exceptions près, ça, c'est une campagne à la manière d'un député de province. Alors, Babacar Kadjus euh, le président de la République s'en sort avec un oui humide, mhm. un score de près de 56%. Pour le moment, si l'on se base sur les résultats euh, provisoires, l'opposition a battu campagne euh, sur le thème de la légalisation de l'homosexualité, euh, sur les velléités de, de l'obtention d'un troisième mandat, sur la question de la laïcité. Les Sénégalais sont-ils restés sourds à ces alertes Vous savez, madame, moi, je ne vais pas marcher sur ce terrain très marécageux de l'homosexualité. La laïcité, c'est une autre paire de manches, mais l'homosexualité, je me garderai d'en être bavard. Savez-vous pourquoi Parce qu'en fait, du point, du, point, de vue de la Constitution, comme d'ailleurs au regard de tous nos textes de loi, l'homosexualité en tant que telle n'est pas mentionnée. Par contre, il y a des actes contre nature qui sont punis par la loi. Tenez, pardonnez-moi le, caractère un, peu, un tout petit peu trivial de l'exemple. Mais si on rencontre un homme qui, développe une relation sexuelle avec un animal dans la rue, mais il est arrêté, il est sanctionné. Pourtant, dans la Constitution, il n'est pas mentionné un homme ne doit pas entretenir des rapports de cette nature-là avec l'animal. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de mentionner tout ça. Et ce n'est pas mentionné. Donc, pour moi, jusqu'à nouvel ordre, ce n'est pas mentionné dans la Constitution. Donc, je me garderai de ce que j'appelle un procès en sorcellerie. Je ne ferai jamais un procès en sorcellerie au gouvernement, à Macky ou au rédacteur de cette réforme-là. En revanche, ce qui est la source de l'équivoque et de l'ambiguïté, c'est la chose suivante. C'est en fait la convocation de ce qu'on appelle les nouveaux droits. Vous savez, il y a des nouveaux droits en Occident, donc dans les pays du Nord, que nous avons transposés ici. Or, l'expression « nouveau droit » ouvre la porte à toutes les insinuations et à tous les, appréhensions et à tous les soupçons. Ce n'est pas plutôt de l'esthétique grammaticale euh, C'est la raison pour laquelle la qualité de la rédaction d'un texte constitutionnel est très importante. En 1958, quand le général de Gaulle a porté sur les fonds baptismaux euh, la euh, constitution de, de la Ve République, par la mise en place d'abord d'une commission de rédaction de la constitution présidée par Michel Debré il est allé voir Michel Debré, il lui a dit prenez le président, prenez Léopold Sédar Senghor et mettez-le, coptez-le dans la commission de rédaction. Parce qu'une une, constitution, c'est aussi un support linguistique. Donc il y a aussi quelque chose de très important sur le plan lexical quand il s'agit de, euh, de, de, construire, passez-moi l'expression, une constitution, donc de la rédiger. Alors, lorsque les équivoques sont au rendez-vous, les appréhensions et les les insinuations aussi font florès. Alors, ces appréhensions, et c'est ce qui s'est passé. Euh, ces appréhensions exprimées par l'opposition et, une... et, les insinuations. Et voilà, appréhensions, insinuations, soupçons euh, par l'opposition et une certaine euh, société civile. est-ce qu'il, est-ce qu'elle relève plutôt euh, de l'ambiguïté du, texte ou, ou d'une volonté Par exemple, le concept de nouveau droit aurait pu être explicité Ou d'une volonté d'intoxiquer, de diaboliser le projet de réforme euh, pour quelle hypothèse est-ce que vous penchez Non, vous savez, dans le champ politique, les pensées, les arrière-pensées, les calculs sont toujours au rendez-vous. Donc euh, ne me demandez pas de sonder euh, les, pensées et les arrière-pensées de ces acteurs-là. Ce dont je suis sûr, ce dont je suis sûr, c'est que l'ambiguïté du texte a rendu fertile le terrain des soupçons, des insinuations. Mais j'irai même plus loin. Quand on mentionne dans le projet de réforme le droit à un environnement sain, qui n'est pas un nouveau droit, qui est consacré par tous nos textes fondamentaux. Oui, oui, oui, oui, le problème n'est pas là. Le problème renvoie encore aux interprétations tendancieuses ou insidieuses. Certains vous disent que, ah, puisque l'environnement sain, ça exclut la pollution sonore, est-ce que quelque part on ne va pas décrocher les haut-parleurs des mosquées Est-ce que le, oh. mieux qui oh. nous tympanise le matin ah, ah, ça, fait partie de l'environnement. Ah, le bruit, c'est quoi C'est quand même trop bas. Ah, je, vous, je vous dis que ce n'est pas moi qui raisonne comme ça. Je me garderai, moi, de raisonner comme ça. Mais je vous dis que lorsqu'il y a des ambiguïtés rédactionnelles comme ça, la porte, le boulevard des doutes, le boulevard des insinuations et des appréhensions s'ouvre. Comme les allées du centenaire, ça s'ouvre largement. C'est un peu ce qui s'est passé. Donc, à l'avenir, il faudra travailler sur la qualité du texte en termes de limpidité, en termes de précision. Bon, naturellement, ce n'est jamais assez précis. Ce n'est jamais assez précis, d'autant plus que aussi euh, euh, dans, une constitution, on ne peut pas tout mettre. Euh, c'est le cadre général, les idées majeures, le reste est réglé par des décrets, lois et autres. Bon, mais comme on peut faire quand même un effort de clarté. Le président de la République sauve sa peau, sort la tête de l'eau, mais n'en reste pas moins menacé mais comment pouvez-vous parler comme ça du président de la République C'est un peu trivial, mais Mouna, <laughs> c'est la première institution. C'est un jeu de mots. Ah, ah, en tout cas, moi, je ne parlerai pas comme vous. Je me garderai de parler de sa peau. C'est un jeu de mots. <laughs> disons qu'il a tiré son Je n'ai pas envie d'être convoqué par la dica, alors n'insistez pas là-dessus. Répondez <laughs> directement à la question. Disons qu'il a tiré son épingle du jeu, c'est ce que vous voulez dire. Non, il sort la tête de l'eau, mais n'en reste pas moins menacé. C'est simplement un jeu de mots et loin de moi l'idée d'offenser la première institution de ce pays. <laughs> parce que vous redoutez les foudres de la justice. <laughs> je ne veux pas, c'est une expérience que je ne veux pas avoir. Euh, que je ne veux pas avoir. <laughs> absolument, absolument. Donc reprenez votre question, s'il vous plaît. Euh, alors, bon, je la, je, reprends avec, euh, avec, avec une partie de mes mots. Il sort la tête de l'eau, uh-huh. mais il n'en reste pas moins menacé par une certaine opposition qui gagne en confiance, par une certaine opposition et une société civile qui finissent par avoir des points de, des points de convergence. Oui, ça, ça je l'ai dit en début d'émission. J'ai dit que euh, le résultat qui se décline comme suit, le oui, talonné par le non, escorté par 45%, 56% Il faut dire aussi que les chiffres dansent. Ils, Pour le moment, Ils dansent le twist. Pourquoi les chiffres dansent le twist Parce qu'ils euh, sont provisoires. Bon, mais ce qui est sûr, c'est que ça pivote autour de 55. Et puis ce qui est important, c'est la victoire du oui, encore une fois. Parce que cette victoire du oui, là, elle est salvatrice, elle est salutaire. Donc moi, je m'en Mais avec un signal fort qu'il faut quand même décrypter. Mais, dis donc, plus qu'un signal. Avec, à la limite, euh, j'allais dire, une flopée de messages. Oui, avec une flopée de messages les uns en filigrane, les autres nichés dans des sous-entendus. Un peu plus loin, euh, vous avez des messages euh, euh, plus ou moins nets, d'ailleurs, plus ou moins précis, des messages de colère, des, messages d'insatisfaction, de, et, et à la limite des messages de bouderie. Parce que, encore une fois, dans l'abstention, on peut loger tout ce que l'on veut de plus ou moins négatif. Ce sont des chiffres qui lui imposent un dialogue, euh, un processus de concertation euh, avec son opposition et les différentes catégories euh, socio-professionnelles. Ce sont des chiffres qui lui imposent un redressement de son de son de son de sa politique économique. Est-ce que ce sont des chiffres qui lui imposent de revoir carrément sa copie présidentielle vous insistez avec beaucoup de euh, pertinence euh, sur euh, effectivement la lecture adéquate qui doit être faite autour de ces résultats éminemment significatifs. vous avez raison. Vous savez, l'arithmétique électorale suggère une lecture particulièrement méticuleuse et tationne donc qui ne laisse aucun détail de côté. Vous savez, euh, on peut dire à la lumière de ce résultat que euh, la carte électorale du Sénégal ressemble à une peau de léopard, avec des taches grises, des taches brunes, des taches rouges, etc., et, un peu blanche par-ci et par-là. Donc une peau de léopard, donc c'est une constellation de couleurs. Et, cette constellation de couleurs euh, représente une constellation de sensibilité et de réponses. Donc, quand l'arithmétique nous place euh, sous les yeux une peau de léopard, euh, cela veut dire que nous avons un casse-tête devant nous. Et nous devons prendre en charge euh, ce casse-tête. Faut-il le prendre en charge, ce casse-tête-là, par le dialogue Certainement. Je vous disais en début d'émission que le référendum est un bon baromètre de vitalité démocratique. Mais le dialogue aussi, le dialogue aussi est, une modalité et une, et une vitalité les deux à la fois en matière de démocratie. Le dialogue est à la fois une modalité et une vitalité. Maintenant, il y a l'art et la manière de proposer le dialogue. Vous savez, il ne s'agit pas de dire « je vais dialoguer avec l'opposition ». Il s'agit aussi de poser des actes en direction de cette opposition. Et pour ça, il faut convoquer la jurisprudence. Macky Sall est arrivé... Quelle jurisprudence J'arrive. Macky Sall est arrivé au pouvoir en 2012. Mais avant 2012, on avait une vie politique. Et cette vie politique-là, elle est instructive on peut en tirer des leçons et des enseignements. Février 88, il y a eu l'état d'urgence. Dieu merci, depuis que Macky Sall est là, il n'y a pas d'état d'urgence. Et que Dieu nous en garde. Mais sous Abdou Diouf, on a eu l'état d'urgence. Mais comment ça a été surmonté Par le dialogue. Abdou Diouf a lancé un appel à Ablaïwad. Mais il ne s'agit pas de lancer un appel par Internet ou par la radio. Parce que l'appel doit être précédé par des démarches souterraines. On est en politique, c'est comme en guerre. Mao et Clausewitz disaient la même chose. La, posture de l'opposition... Laissez-moi terminer. Euh, est-ce que la posture de l'opposition facilite euh, l'instauration de ce, de ce dialogue J'y arrive. Je posais le problème en termes de modalité ouverte et de modalité masquée. C'est-à-dire, il y a la partie visible de l'iceberg, s'agissant du dialogue, mais il y a aussi la partie immergée. Tenez, Abdou il utilisait des hommes doués et formés pour ça, et qui avaient, qui aussi la crédibilité requise. Pour contacter Ablaïwad, il se servait de Famara Ibrahim Assania, qui avait le double privilège d'être l'ami d'Abdou Diouf, président de la République, et l'ami d'Abdoulaye Alors, il faut des hommes comme ça, et ça ne manque pas dans le pays. Des hommes qui n'ont plus d'ambition, qui ont l'avenir derrière eux, qui sont fortunés, qui ne sont pas des chasseurs de primes. Un homme comme Famara Ibrahim Sagna peut jouer un rôle comme ça à l'insu de tout le monde. Les Sénégalais s'étaient réveillés dans les années 80. Ils ont appris que euh, Diouf, Jean Collin et Abdoulaye Wade s'étaient rencontrés à Popanine. C'est après coup qu'on l'a appris. Ce qui veut dire qu'il y a des démarches souterraines qu'on peut faire. Il y a des émissaires, il y a des missiles dominici Mais le problème, c'est que euh, toutes les tentatives qu'il y a eu ont été portées sur la place publique. avant que Est-ce que les tentatives ont été bien planifiées Est-ce qu'elles ont été bien conduites, bien pilotées C'est ce que je viens de dire. Elles, ont été, portées, elles ont été, portées, sur, la place politique par des hommes politiques euh, en mal de publicité avant que, les concertations n'aboutissent. Résultat, le fiasco. Ah, ah, voilà. Le présent finit et, l'immobilisme, le fiasco, donc l'immobilisme, ça ne bouge pas. Or, comme on vient de dire, un casse-tête politique ne peut être surmonté en démocratie que par le dialogue. Puisque les Burundais dialoguent, à leur façon, à, force fortiori nous, les Sénégalais, qui sommes quand même sur le plan de la démocratie, euh, des éclaireurs de pointe sur le continent. Macky Sall ne craint-il pas de rétablir le lien avec Abdoulaye Wade. Du côté de la majorité présidentielle, l'on dit craindre euh, des entourloupes euh, de la part euh, du pape du Sopé. Mais, politique, moins la ruse, politique, moins les stratagèmes, politique, moins les calculs. Il reste quoi Il reste peu reste rien du tout. Il reste peu de choses. La seule chose qui donne satisfaction en matière de démocratie, c'est qu'il n'y a pas de boum-boum. Il n'y a pas de boum-boum, c'est-à-dire pas de coup de feu. Mais le blabla, ça doit aller euh, euh, de pair avec la démocratie. Un dialogue entre l'opposition portée par le Parti démocratique sénégalais et la majorité présidentielle est-il envisageable avec un carré-mois dans la prison Vous savez, ça c'est des problèmes que le dialogue règle précisément en termes de préalables. Vous savez, un dialogue, que je vous l'ai dit, n'est pas automatique. C'est un processus. Alors, il y a des préalables à régler, il y a des fondamentaux à voir, et puis maintenant, on continue, on continue, on continue jusqu'au jusqu'au bout du processus. Et ça, c'est le résultat qui est spectaculaire, qui est impressionnant et qui est satisfaisant. Mais dites-vous bien qu'en amont, les gens travaillent dur. Encore une fois, le problème, ce n'est pas un problème de... Le dialogue, je crois que tout le monde euh, souhaite le dialogue et le dit. En tout cas, tout le monde le répète et le martèle. Mais maintenant, il y a l'art et la manière, il y a les modalités. Et les modalités, il faut les chercher, on peut les trouver dans notre histoire. Et il faut s'entendre là-dessus. Oui, parce que Dieu merci, jusque-là, on n'a pas d'état d'urgence. Je vous dis que dans le passé, on a vécu ici une un état d'urgence. Ce fut très dur entre 88 et 93. Et pourtant, les hommes politiques ont pu se parler. On va avancer un peu, euh, Babacar Alors, euh, pour cette présente campagne euh, référendaire, euh, nombreux sont les hommes politiques qui ont joué euh, leur crédibilité en s'engageant euh, de façon déterminée euh, pour le camp du Nord. Euh, parmi ces hommes politiques, on peut noter euh, Abdoumbaï, euh, Malik Gakou, Khalifa Sall et toute la classe politique du côté de l'opposition sont-ils les principaux perdants de ce scrutin référendaire Khalifa Sall qui perd le contrôle de Tahaou Dakar, Idrissa Seck et Abdoulaye Balde qui perdent un peu le contrôle dans leur dans, leur, dans, dans leur fief, qui confirme euh, sa, sa, suprématie dans le, dans le Baol. il faut faire remarquer euh, que le Baol résiste également à la majorité présidentielle. Euh, Malik Gakou qui perd Guédiouaï, son fief, et qui encore, bien qu'Abdoumbaï n'ait pas de, de, de, n'a pas de base politique, il a engagé sa crédibilité et il a également mis en jeu ses relations avec le président de la République Macky Sall. Mais d'abord, une politique sans risque n'existe pas. Hein? Et puis, on ne s'engage pas à reculons. Vous dites, ils se sont engagés fortement, lourdement, grandement. Mais c'est normal, c'est un combat. Vous voulez qu'ils s'engagent euh, à reculons Vous voulez qu'ils s'engagent euh, autrement L'engagement ne peut être que total. Je veux dire vigoureux en tout cas. Vigoureux. Et ça a été vigoureux parce que quand on cherche la victoire, on met le paquet. Passez-moi l'expression. Mais là, là n'est pas le problème. Ça, ce sont les formes le fond se situe euh, ailleurs. Vous savez que s'agissant de Maligaku, alors un coup d'essai est rarement un coup de maître. Maligaku, il était à l'AFP. Ça, c'est son baptême du feu, en quelque sorte. Alors, donc, euh, quelque part, euh, sa défaite n'est pas synonyme d'apocalypse pour sa carrière. Vous semblez, vous varier dans vos positions euh, concernant Malik Gakou. Je vous ai invité il y a de cela huit mois. Le grand parti venait de démarrer euh, ses activités politiques et vous vous demandiez que pesait réellement ce parti-là mm. euh, Qu'est-ce que Malik Gakou pourrait apporter comme changement dans l'échiquier politique La réponse Vous a-t-il convaincu entre-temps Maintenant, les faits m'ont donné raison. Parce que voilà un parti qui s'autoproclame grand. Il se dénomme grand parti alors que ce n'est pas encore testé, vérifié. Le test vient de passer. Alors, grand parti ou, grand poussin ou petit poussin, je ne sais pas. Euh, les faits démontrent que ce n'est pas le grand parti tant clamé et tant proclamé, et surtout autoproclamé. donc, euh, euh, ce n'est pas mauvais. Vous savez, le test est toujours bon. De toutes les façons, le combat politique est une œuvre de longue haleine. que avait l'habitude de dire l'histoire n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Donc, euh, le, le combat politique... je vous invite à ne pas prendre de gants et à décrypter mm. les enjeux du scrutin mm. euh, pour les différents hommes politiques dont je vais vous soumettre les noms. Mm. Pour Abdoumbaye, peut-on parler de défaite, de victoire, de test On a dit dès le départ que ce référendum-là n'était pas une affaire de personne. Si ce n'est pas l'affaire du président de la République, comment voulez-vous que ça soit l'affaire d'Idrissa Les hommes politiques en ont fait une affaire présidentielle. La classe politique, surtout les membres de l'opposition, en ont fait une élection présidentielle. C'était un test majeur euh, pour le président de la République. Et, si, et, si on retourne les rôles mais, vous savez, dans, dans ce domaine, euh, naturellement... Euh, qui marque son